école Mamadou Diagne ah, nekk fi ci wakam gis ngeen fi nek amna lu tollu ci 4167 ah, électeurs 8 bureaux de vote ci bureau de vote 7 bi fa la ñuy xaar ki di le candidat du PUR parti de l'unité de rassemblement bu euh, Moustapha Sy ki di Aliou Mamadou Dia fi dañ koy xaarandi à 11h lañ ko annoncé Mon notre bureau 7 euh, b lay voter bureau 7 b amna le lu de 595 électeurs kon donc fofu le candidat du PUR Mamadou Aliouja. ici au centre école Mamadou Diagne fa lay euh, voter d'ailleurs ah moom lañ koy xaar fi nga xamante euh, gis ngeen li nga le vote comment ça se déroule ici à ah, ci école Mamadou Diagne bureau numéro de vote numéro 1 gis ngeen li nga il y hein, les mandataires sont là. Hein, euh, non, non. Bonjour. C'est hein, la voiture. Ça, c'est. donc ñu ngi fii ci euh, bureau de vote numéro école école Mamadou Diagne fii ci Wakam ah ñu ngi ci bureau de vote numéro luñ fi euh, signalé maanaam y a quatre sièges ñi nga xam te ne ndaw yi nga xam te ne ah, parti politique yi wala candidat yi ñoo leen yónni gis seen ah 19 la waaye fii euh, ñeenti ñoo fi nekk gum ñoo fi ñëwagum muy ndawalu taxawu Sénégal ndaxu PUR ak ndaw ki nga xam ne mooy. Euh, Benoît Yakar, yakar, ak ndaw coalition président, président nous fi que sur 19 candidats nous avons 4 sièges en parti gisee nous ngi en face di xol actuellement nous n'avons ma rien à signaler tout tout se passe bien donc au ci école. Euh, Mamoudou Diagne euh, Wakam euh, gis bleu de vote numéro 1 595 votants nous avons voté 595 actuellement ça se déroule bien ah, il y a 19 candidats. Hein, hein. et pour ce bureau de vote, on a constaté que quatre siégeants, quatre représentants de candidats, il y a le représentant de au Sénégal, le représentant euh, du PUR, hein, parti de l'unité du rassemblement de Tahaou et de Benobok Yakar et celui de coalition mai Président pour le bureau de vote numéro 1. Ah, vous voyez, les gens prennent les spécimens Hmm, ils se dirigent après, prennent l'enveloppe, ils se dirigent après vers l'usuroir et faire le choix. Ils ont la possibilité aussi euh, de euh, prendre 5 au lieu de prendre les 19. Hmm, c'est une des possibilités de prendre 5 bulletins de vote. Hmm. entretenimento. non donc fii nga xam ne mooy euh, Wakaam ah, centre école Mamadou Diagne hmm, gis ngeen ne y' a huit bureaux de vote waaye ci bureau de vote numéro un bi lañ fi constaté y' a dix neuf euh, bulletins spécimen bu nekk kandidaay yëpp ñëpp seen xob ñëw na waaye seen ndaw yi leen teewal fii war a saytu. si vote bi waaye ñenti ñoo fi nekk ah moy euh, bureau de vote euh, numéro 1 école Mamadou Diagne waaye li sen li nga xam te ne vote bi ça se déroule bien ici ñi ngi wéy di avancer. déplacé wala Alas alas. waaw. Euh, maa ngi tudd nday Fatou Diop euh, maa ngi fii ci centre Mamadou Diagne bu Wakam euh, bureau numéro un waaw. Non, on n'a on a pas eu de problème parce qu'on a débuté à, l'heure, à 8h pile, on a commencé. Et bon, euh, dans la salle, euh, on a vu que tous les bulletins des candidats sont disponibles sur la table. Euh, par contre, pour les représentants des candidats, on a constaté qu'il n'y a que quatre représentants. Quatre représentants. Il y a le représentant de Aliou Mamadou il y a le représentant de Khalif Sal, il y a le représentant de euh, Jomai, euh, euh, Dahar et il y a le représentant de euh, Donc ce sont que ces représentants-là qui sont dans la salle. Par contre, tous les bulletins sont présents, il n'y a pas de souci là. D'accord. Juste une question par rapport à notre budget de lenteur. Oui. C'est quoi le problème ben, Ici, on a débuté avec euh, les hommes de tenue les militaires. Et, euh, bah, ils étaient assez nombreux quand même. Donc, euh, ça, c'est ça qui a retardé un peu parce qu'ils sont prioritaires, les hommes de tenue et les personnes âgées. Donc on a démarré avec eux et puis on a pris le, reste des, électeurs. Mais il n'y a, pas, a pas de problème quand même. Hmm. Voilà, les ordres de mission sont là. Voilà, ils sont venus avec les ordres de mission. Bon, ça est sur la table, hein, ils sont nombreux, je sais pas. Non, non, non, pas encore. Mais ça est là. Tous les ordres de mission sont là, sont disponibles avec le, avec le président. Merci beaucoup kon euh, ñoo ko déggandoo mais li de vote numéro 1 école Mamadou Diagne le constat est que y a 19 euh, bulletins des 19 candidats et que li nga xam te représentant yu sur 19 donc ñi nga xam te ne Sénégal am fi représentant ki nga xam te ne mooy Mamadou Dia aussi euh, kii di Amadou Ba fi ndaw aussi ki nga Bassirou Diomaye Faye candidat coalition aussi am na fi représentant dañuy wéy and ak yéen dëkk ah euh, dem xoolaat aussi euh, quelques bureaux de vote fàttali leen euh, mbokk yi Dakaractu ñu ngi fi ak yéen depuis ce matin depuis huit heures fi vote bi tàmbali na ci école Mamadou Diagne le constat est que amna homme de tenue ay takk der yu ñëw ak personne troisième âge ñoo xawa a retardé ci vote bi waaye mi ngi déroulé wu ndax xam ngeen ne takk der yi dañuy bokk ci élection yi dañuy voté waaye tey euh, gis ngeen ni ñoom ñëw nañ fii massivement Wakaam aussi mu doon zone militaire. d'accord euh, aussi gendarme yi seen présence aussi ak ordre de mission yi ñëw nañ voté kon donc dañuy wéy ànd ak ba tey ci euh, xam te ne mooy élection yi wéyaat xoolaat aussi ma bureau de vote yi ànd ak kon donc gis ngeen fi danaka l'affluence est là hein dafa mel ni xaw na yéex tuuti ñu dugg xool salaamaaleykum. salaamaaleykum. donc gis ngeen euh, ñu ngi fi euh, bureau de vote euh, numéro 2 ah ñu ngi fi gis ngeen vote bi ça se déroule calme ñu am ay laaj yu ñu laajte équipe de reporters Falil et Alain du côté de Wakam au centre de vote École Mamadou Diagne où on attend euh, le leader euh, du PUR donc, qui viendra voter donc dans ce centre de vote. Vous l'avez compris avec Fallil euh, Falil et Alain, tout le dispositif donc est déjà mis en place pour assurer un vote dans le calme et la sérénité avec la présence également des forces de l'ordre. Là-bas également, le vote a démarré à, 8 heures, comme dans l'ensemble des bureaux de vote euh, du, Sénégal, hein, qui ont officiellement ouvert leurs portes euh, à, 8 heures, euh, donc avec un léger retard dans certains bureaux de, vote. Je lance un appel à la paix, au calme et à la sérénité. Des manquements, forcément, il y en a, mais tout est fin prêt.